le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 94.4 MHz, Amphania FM 100 MHz et Qualteg FM 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Benengaure, Chuozerin, Magaria, Mainosora, Tamaske, Bouza, Dolbel, Saïta, Madawa, Dakoro, Dogonduchi, Walam, Tera, Kabalewa et Ingengemi, soit au total 31 radios qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangu notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Les préparatifs de la rentrée scolaire au niveau du second cycle du secondaire, c'est le thème du forum de ce soir. C'est en effet le lundi prochain, 18 septembre 2017, la date officielle annoncée par les autorités en charge de l'éducation pour cette rentrée. Quels sont les élèves concernés par cette rentrée scolaire 2017-2018 qui aura lieu lundi prochain? À quel niveau de préparatif sommes-nous? Qu'en est-il de la prise en compte des revendications des scolaires regroupés au sein de la section lycée et collège de la région de Niamey qui menace de boycotter cette rentrée Les enseignants sont-ils prêts pour répondre présent le jour J de cette rentrée c'est à toutes ces questions que nous tenterons d'apporter des réponses au cours de ce forum de 45 minutes qui reçoit comme invité Monsieur Bouhari Meidawaki, directeur de l'enseignement privé au ministère des enseignements secondaires. Monsieur le directeur, bonsoir. Nous avons également dans ce studio le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES, M. Cheibou Dambaji. Bonsoir. Bonsoir. Un troisième invité dans ce forum, c'est Abdourahman Salifou. Il est le secrétaire général de la section lycée et collège de la région de Niamey. Monsieur le SG, bonsoir. Bonsoir, Au micro, vous avez Michel Dégé. Monsieur le directeur de l'enseignement privé, pour commencer, quelles sont les catégories de scolaires concernées par cette rentrée du 18 septembre appelée petite rentrée euh, merci, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. donc, euh, vraiment, je suis très fier de cette invitation parce que mhm. ça va nous permettre euh, d'être, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de radios qui sont partenaires à l'intérieur du pays. Mhm. Donc ça va permettre à beaucoup de Nigériens d'être imprégnés sur les préparatifs mhm. de la rentrée, Inch'Allah, du 18 septembre prochain. Lundi prochain. Mhm. Donc euh, cette rentrée, comme tu l'as appelé, la petite rentrée concerne exclusivement les lycées. Mhm. Donc les élèves du cycle moyen qui sont dans les lycées classiques et les CS. Donc euh, les CS, euh, il les collèges et les lycées. Les collèges, ça sera pour le 2 octobre. Mhm. Donc, euh, les lycées pour le 18 prochain. Donc, ça concerne exclusivement les, lycéens sur l'ensemble du, pays. Et qu'en est-il des préparatifs À quel stade êtes-vous actuellement Est-ce euh, qu'on peut déjà dire que tout est fin prêt pour cette rentrée sur l'ensemble du pays Franchement, Michel je, confirme de vive voix que techniquement, euh, la rentrée, nous sommes prêts. Parce que euh, la rentrée, de quoi avons-nous euh, besoin mhm. Nous avons besoin d'avoir des fournitures. Ça, ça a été placé dans toutes les régions. Mhm. Nous avons également besoin des enseignants. Ça, les affectations ont été faites. Mhm. Nous avons également besoin de classes. Ces classes-là sont disponibles. Nous avons besoin des tables bancs en ce qui concerne les lycées, euh, des informations que nous avons eues de toutes les régions parce que nous étions avant-hier à, un, conseil des cadres, la réunion des cadres annuelle qui se tient chaque année. En tout cas, des exposés de toutes les régions. Et il ressort qu'au niveau du second cycle, en tout cas, il n'y a pas de problème de table bancs. Mhm donc vraiment, euh, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problèmes euh, mineurs, mais je dis que des problèmes euh, qui peuvent compromettre la rentrée à notre niveau, vraiment, n'existent pas. Monsieur le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES, e chef d'Ambogi, à votre niveau, comment vous vous préparez pour accueillir cette rentrée Avez-vous à votre niveau des revendications restées encore sans réponse, susceptibles de compromettre l'effectivité de cette rentrée de lundi prochain. Euh, merci, Michel. il faut dire que cette rentrée, comme tu l'as si bien caractérisée, c'est la petite rentrée. Parce que, euh, en réalité, c'est elle qui concerne le moins d'élèves et le moins d'enseignants. Mm-hmm. Et le moins d'infrastructures. Donc, euh, traditionnellement, le second cycle du secondaire, sa rentrée ne pose pas de problème majeur euh, le problème, c'est au niveau du premier cycle du secondaire. Parce que quand on va arriver à ce niveau, c'est là que vous allez voir qu'il faut construire des hangars. vous avez des collégiens qui ne, dans le meilleur des cas, qui vont commencer au cours que dans deux semaines, certains même euh, un mois, d'autres deux mois. Donc c'est dire que vraiment cette petite rentrée du point de vue de la logistique euh, ne pose pas de problème majeur. Mhm. Alors, euh, techniquement, la rentrée peut être prête, mais il y a quand même un volet que le directeur n'a pas abordé, pas mm. euh, euh, relativement au personnel enseignant. Nous avons comme une composante qui concerne, qui sont concernés par cette rentrée, dont le problème de salaire peut se poser. C'est celui des enseignants contractuels du second cycle du secondaire. Donc, à la date d'aujourd'hui, les échos qui nous parviennent, euh, beaucoup d'agents n'ont pas perçu leur salaire du mois d'août. Mm. Donc, c'est à dire que euh, si on veut que la rentrée puisse se faire dans des bonnes conditions pour cette catégorie d'agents, en tout cas, il aurait quand même fallu créer les conditions euh, pour que ces enseignants-là puissent puissent être payés, et qu'ils puissent avoir leur salaire à terme hum. Et l'autre aspect, c'est celui des affectations qui sont faites. Vous savez, depuis un certain temps, l'administration, elle ne s'intéresse qu'à l'affectation. Hum. Mais pour ce qui est de la mise en place du personnel enseignant, hein, depuis un certain temps, l'enseignant se débrouille pour se rendre à son poste. Alors, nous avons comme une catégorie de personnel qui est, je ne dirais pas fragile, mais qui a des problèmes euh, de, logistique. Ce sont les enseignants et contractuels. Si on les affecte, il va nécessairement prendre des, prendre des dispositions pour qu'ils aillent à leur poste et avant cette rentrée. Mmh. Et à ce que je sache, je sais que généralement s'il y a euh, des euh, mouvements du personnel, c'est à partir du Corombier que généralement on les transporte. Donc je crois que cet aspect-là, il faut nécessairement le prendre en charge. Pour ce qui est des enseignants contractuels, il faut euh, qu'ils puissent être acheminés à, leur poste. Mhm. Et il y a aussi, euh, même si ça concerne moins d'établissements, ce sont les nominations des chefs d'établissement. Mhm. Ça doit faire partie quand même de ce qui doit être réglé avant la rentrée. Alors le plus souvent, euh, ces questions-là viennent après la rentrée. Moi, je suis de ceux qui pensent que eh, une bonne rentrée, il faut que celui qui doit gérer l'établissement tout au long de l'année, qu'il puisse être en poste. Mmh. Et on dit qu'il doit être en poste 15 euh, jours avant pour pouvoir euh, faire tous les préparatifs. Donc, euh, nous, à notre niveau, vous savez bien que les rapports, les types de rapports qu'il y a entre les syndicats et l'administration. Nous avons fini l'année eh, en conflit. Et nous ne souhaitons pas que l'année qui commence puisse euh, commencer avec ce conflit. Ce qui est sûr, pour ce qui est du, premier, du second cycle, nous estimons qu'elle ne concerne pas l'ensemble des enseignants. S'il y a une prise d'opposition, certainement qu'elle ne va pas concerner exclusivement le second cycle euh, du secondaire. Donc pour le moment, euh, au niveau de notre collectif, nous n'avons pas de position qui va dans le sens d'appeler les enseignants à ne pas se présenter le jour de la rentrée. En mhm. tout cas, pour le moment, ce mot d'ordre-là, nous ne l'avons pas. Mhm. certainement que la grande rentrée, comme tu as parlé de petite rentrée, en ce moment, nous allons et nous pouvons envisager, en tout cas si d'ici là mhm. l'administration ne négocie pas avec nous, si l'administration ne discute pas avec nous, mm-hmm. en tout cas, il n'est pas exclu qu'il y ait des difficultés à la reprise des. Mais vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que la rentrée, là, c'est seulement un jour. Ce n'est pas tant l'événement qui se passe le jour-là qui est important. Ce qui est important, c'est le déroulement de toute l'année scolaire. Mm-hmm. Donc, il faut créer les conditions pour que l'année scolaire puisse se dérouler dans des conditions de stabilité, en tout cas optimales. Ce qui préoccupe euh, en ce moment, c'est le démarrage. Il a eu à soulever certaines préoccupations, sinon des inquiétudes, dans monsieur le directeur de l'enseignement primaire. Il s'agit notamment du paiement des, salaires au titre du mois d'août passé, de l'affectation des enseignants, mais aussi de la nomination des chefs d'établissement. Euh, quel élément d'éclaircissement avez-vous apporté par rapport à ces inquiétudes qu'il a soulevées Donc, euh, vraiment, je dis c'est des inquiétudes réelles surtout en ce qui concerne euh, le caractère pécunier de la question. Parce un enseignant qui n'est pas payé vraiment, il ne peut pas, en tout cas, il ne peut pas avoir la force de répondre à un, devoir. Quoi. Mais je suis convaincu que euh, les autorités, en tout cas les ministres, sont en train de se battre euh, pour que ce salaire là soit, le plus rapidement possible. Mm-hmm. En tout cas, je sais que quelque chose sera fait incessamment a eu des échos favorables, à travers euh, certaines régions. Et même en Niamey, là, c'est pas exclu que ça commence dès les tout prochains, jours. Maintenant, pour ce qui concerne les affectations des enseignants, mm. et c'est vrai, quand l'enseignant est affecté, on, il doit être transporté, mais depuis un certain temps, l'enseignant affecté, il, se, déplace lui-même avec ses propres moyens et après il introduit un dossier de remboursement au niveau du ministère et ce remboursement s'effectue. En mm. tout cas, le montant des, sommes qu'il a engagées pour, son, transport, le transport de sa famille et de ses bagages, il, est, pris en charge. Maintenant, pour les nominations, vous savez, M. Damoji depuis un certain temps, les nominations, euh, c'est vrai, c'est au niveau de l'administration centrale que sont décidées, mais c'est sur proposition des directeurs régionaux. Mhm. Et donc, au cours de la dernière rencontre, en tout cas, on, la DRH est en train de centraliser les, propositions des régions, mais je suis sûr que il n'y aura pas ce vaste mouvement que les gens ont l'habitude de voir parce que mhm. nous, on s'est dit que eh, la personne qui n'a pas voté qui est techniquement bon, quelles que soient les choses, on doit les laisser les choses. Et voilà pourquoi il y aura des mouvements, mais ce sont des mouvements vraiment insignifiants. Quoi. Mhm. Pour ceux peut-être qui vont partir en stage, ou bien ceux qui sont compromis dans cette affaire de recrutement parallèle, mhm. là vraiment ça c'est clair et net, on ne va pas les laisser. On reviendra là-dessus. Ah. Monsieur Boire Maïdawaki, je rappelle que vous êtes euh, le directeur de l'enseignement privé au ministère des enseignements euh, secondaires. Une des menaces euh, qui pèse sur cette rentrée, c'est le boycott probable des scolaires, notamment ceux de la section lycée-collège de la région de Niamey. Il y a quelques jours euh, déjà, des négociations étaient initiées entre les autorités, les responsables de la dite section et l'Association nationale des parents d'élèves afin de trouver une solution urgente aux revendications des élèves. Suivant à ce propos, le vice-président de cette association des parents d'élèves, Ransartan Ousulman, joint au téléphone par notre consoeur euh, Balkissa Hamidou du studio Kalangou cadre de réussir euh, la rentrée 2017-2018. Comme vous l'avez dit, nous sommes déjà à pied d'œuvre. Hier seulement, nous étions en, contact avec la euh, section collège euh, et lycée de, de la région de Niamey qui a présenté sa plateforme revendicative autour d'un certain nombre de points. Donc sur recommandation ou sur un souhait du gouverneur que nous avons rencontré, nous sommes en train de voir comment aplanir le, mécontentement des scolaires euh, avant la rentrée pour que nous puissions vraiment éviter la débâcle de l'année 2016-2017. Donc, euh, d'ores et déjà, nous sommes appelés pour qu'un comité tripartite, gouvernement euh, dresse scolaire, se retrouve autour d'une même table et voir ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de résoudre dans l'immédiat, à moyen terme et à, long terme, pour que vraiment l'année ne soit pas entachée par des mouvements qui ne font que frustrer l'ensemble des Nigériens. Donc euh, je peux dire que vraiment pour le moment, nous sommes à pied d'œuvre et nous avons espoir parce que de deux, de deux côtés, du côté du gouvernement et du côté de, la structure, chacun est animé d'une bonne volonté de dialogue. Et autour d'un dialogue, nous savons que généralement, nous, on réussit. Le vice-président le vice de l'association des parents d'élèves, Ransaltan euh, Ousulman, euh, joint par Balki Oui, monsieur le SIG de la section lycée-collège de la région de Niamey, Abdraman Salifou, quelles sont en réalité vos vraies revendications au sujet de cette rentrée et où en êtes-vous sur le terrain par rapport à vos points de revendication eh, Bon, nous avons eu, c'est-à-dire à nous prononcer par rapport à cette rentrée bien avant jour J. Mhm. D'autant qu'il n'est inscrit personne, la section lycée collège de la région de Niamey a eu à déposer sa plateforme revendicative depuis le 28 juillet au niveau des autorités en charge de l'éducation de la région de Niamey. Mm. Hélas, quelque chose qui nous a conduit, c'est-à-dire on n'a pas été considéré, on n'a pas été appelé par rapport à notre plateforme revendicative pour pouvoir négocier de cette même plateforme revendicative mais néanmoins, nous, étions la seule section qui a été consacrée il y a de cela quatre mois. Nous mm-hmm. nous sommes dit, pourvu les multiples perturbations que chaque année on fait face, vaut mieux déposer notre plateforme revendicative dans les vacances pour permettre aux autorités en charge de l'éducation de voir mm. par quel mécanisme ou bien par quelle voie des moyens plus rapide pour pouvoir solutionner l'ensemble de nos problèmes qui ont été inscrits dans cette même plateforme revendicative. Chose qui n'a pas été faite, c'est-à-dire euh, jusqu'à ce que l'ultimatum soit écoulé. Nous avons donné un ultimatum d'un mois et qui fut écoulé, on ne nous a pas appelé en négociation. Mm-hmm. Nous avons eu à notifier à ces mêmes autorités que cette rentrée n'aura pas lieu. Et notre position, elle est catégorique par rapport à ça. Pourquoi je dis cela Aujourd'hui, il n'est que personne. Maintenant, les revendications, parlons des revendications. C'est ça que je voulais entamer, Michel. Mhm. Les différents points de Les différents points de notre plateforme revendicative, entre autres. C'est-à-dire, euh, on est tous convaincus qu'au niveau des lycéens, il n'y a pas de problème de classe. Mhm. Puisque même dans les créations dont on fait, on, nous, on parle, mais c'est-à-dire ces créations, il y a des nouvelles constructions qui ont été réceptionnées dans ces mêmes vacances. Mhm. Donc par contre, c'est il n'y aura pas problème de classe et problème de talban. Le problème qui se pose, il y a que des écoles qui d'ailleurs, il y a le cours d'eau vu la saison plus qui est là. Et il y a aussi le problème de l'électricité dans les écoles. Il y a aussi le manque d'enseignants. Ça, on a eu nous-mêmes à nous c'est-à-dire, nous avons eu à garder cela. Pourquoi C'est-à-dire, on a constaté s'il n'y a pas eu cette rentrée, on ne peut pas savoir qu'il y a problème d'enseignants. Mais s'agissant de cette rentrée dont les autorités parlent, c'est à leur niveau ils organisent leur rentrée. Nous, on n'a pas été, nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit par rapport à cette rentrée. C'est-à-dire, quand on était dans les années antérieures, pour nous mettre en témoin, quand l'équipe scolaire arrive d'une région ou bien nationale, on appelle un représentant de l'USN pour en témoigner cela. Mais cette année, je ne sais pas, il y a eu la rencontre des cadres au niveau, les cadres des enseignements secondaires au niveau de la région de Dosso. Peut-être c'est pour cela on ne nous a pas notifié cela. Mais notre plateforme revendicative, je pense bien aujourd'hui, le ministre a eu à nous contacter on a, eu à parler là-dessus. Il dit que vraiment, lui, il est national. Il ne peut pas discuter avec nous sur cette même plateforme revendicative. Mais il ordonne au gouverneur de nous rencontrer demain. Donc, demain samedi. Demain samedi soir. Demain, vendredi. Vendredi soir, Inch'Allah, à 16h, d'où nous avons eu à écouter avec intérêt le ministre et nous lui avons donné la garantie que nous allons répondre à cette appel du gouverneur venant lui de venant du ministre qui a instruit le gouverneur pour pouvoir en discuter puisque jusque là pourquoi nous nous sommes sur notre position aujourd'hui Michel quand vous faites des choses pour quelqu'un au moins même si vous l'avez pas appelé quand même les médias soient là pour que les médias peuvent en témoigner de ça que ah, on a reçu la plateforme revendicative de ces scolaires et voilà les mécanismes qu'on a pris ou bien voilà les chemins qu'on a pris pour pouvoir résoudre ces mêmes problèmes mais jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté cela. Aujourd'hui, quand vous prenez le problème qui urge à l'état actuel, dans des écoles, c'est comme je l'ai à notifié. Il y a des classes qui ont besoin à ce que la mairie vienne eh, réparer ces classes. Il y a des classes qui, derrière les latrines, pour pouvoir vider certaines latrines, il va falloir à ce que les chefs d'établissement de l'école, avec les camarades, sous pression de nos camarades, créent des conditions dans la, dans la caisse du COGES pour pouvoir vider les latrines pour que vraiment les camarades puissent faire leurs besoins à la rentrée. C'est pourquoi nous sommes dit, et eh, aujourd'hui, pourquoi nous avons décidé, c'est-à-dire de dire, nous allons boycotter cette même rentrée. C'est un adage qui dit, mieux vaut prévenir que de guérir. On sait la rentrée auquel il y aura des problèmes n'est pas encore arrivée. Si dès, à présent, on n'a pas commencé à construire ces classes en paillotte, et qu'est-ce qui nous prouve d'ici les on peut avoir ces classes en paillotte mhm on a eu à nous notifier avec le ministre que vraiment, il n'y a pas de paillotes. C'est quelque chose, on les a informés, qui à leur niveau, ils doivent prévoir ça bien avant de nous appeler. Durant les vacances qui se sont écoulées, c'est des précautions qu'ils peuvent prendre eux à leur niveau pour pouvoir solutionner en tant qu'administrateur. S'ils veulent, ils n'ont pas besoin de nous appeler pour pouvoir négocier par rapport à notre plateforme revendicative, puisque dans cette même plateforme revendicative, nous n'avons pas demandé l'impossible. Mm. Tout ce qu'on a demandé, c'est quelque chose qui est en notre faveur, quelque chose qui avantage l'ensemble de nos camarades. Mm. Aujourd'hui, ils disent à ah, nous, à l'état actuel, on peut les permettre ou bien on peut les confirmer qu'il ah, y aura cette rentrée. Je les ai confirmés que vraiment, moi, en tant que secrétaire général de la section lycée collège, j'ai été élu par des camarades. Par contre, c'est ces mêmes camarades qui vont, on doit les écouter pour pouvoir solutionner l'ensemble des problèmes Kangangren au sein de la région de Niamey. Mais comme ça, on ne peut pas garantir à qui que ce soit qu'il y aura, qu'il y aura nous, à notre niveau. Ça ne présage pas quand même euh, un bon signe, hein, monsieur le directeur de l'enseignement privé représentant du ministère des enseignements euh, secondaires. C'est vrai, il a parlé d'une direction régionale parce qu'il s'agit de la région de Niamey, mais tout vient du niveau central du ministère. Quand il parle d'un manque d'enseignants, des classes payotes, on suppose qu'il y en a aussi à l'intérieur du pays. Par rapport à toutes ces revendications, quel mot avez-vous à donner, eh, monsieur le directeur de la eh, eh, je suis un peu gêné, mhm. franchement, par les propos de mon gestion. dire en Niamey qu'il y a un manque d'enseignants, vraiment, c'est trop dire. Parce que je suis avec euh, des camarades d'Ambaji. Mhm. cette année, en tout cas, c'est depuis 2010, euh, il n'y a pas eu un euh, redéploiement si ce n'est pas cette année, et redéploiement qui a été fait en collaboration avec les syndicats, de commun accord avec les syndicats. C'est vous dire qu'est-ce qu'on appelle le redéploiement, c'est-à-dire euh, on, identifie les surplus des professeurs et on les amène là où on a besoin. Mhm. Et on a, on identifié jusqu'à 200, plus de 200 enseignants mhm. qui, sont moins, qui sont moins chargés qu'on a envoyé de la région. Il y a d'autres encore, euh, environ 300, pour des raisons vraiment sociales qui n'ont pas été affectées. C'est pour vous dire que vraiment à Niamey, on ne peut pas parler des problèmes des professeurs. On peut parler peut-être d'autres choses, mais pas les professeurs. Mhm. Maintenant, en ce qui concerne les classes, là aussi, au lycée, dans les lycées de Niamey, en tout cas, M. Deji, vous connaissez très bien, vous avez mhm. étudié à Niamey les lycées de Namé, en tout cas, n'ont pas de problème de classe. Peut-être là où je peux accepter les propos du fiston, les, les, points d'eau avec les, les, importantes précipitations qui se sont abattues à Namé, effectivement, des morts se sont créées au niveau de certaines écoles. Et ça, je suis convaincu. Avec les instructions tout à l'heure que le ministre a données au gouverneur, je suis sûr que d'ici lundi, ces points là qui sont dans les établissements-là seront dégagés. Ça, je suis convaincu. Qu'est-ce qui fait tarder la construction des classes en paillote euh, puisque... Oh, vraiment, la construction des classes en paillote, pour le moment, je ne peux pas me prononcer mhm. parce que euh, les, classes en paillote sont construites par la région. Il mhm. serait été qu'il y ait un représentant de la région, il sera plus habilité à se prononcer là-dessus. Mhm. Oui, monsieur le secrétaire général du SNES, chez Dambaji, selon vous, euh, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sauver cette nouvelle année qui s'annonce oh, Ce qu'il y a lieu de faire, euh, euh, c'est de prendre en charge les problèmes qui peuvent se poser par-ci, par-là, et avec le souci d'anticiper. Vous savez, assez souvent, c'est des questions mineures, mais parce qu'on ne les a pas traitées à temps, elles peuvent devenir source de conflits. Mhm je relève que pratiquement toutes les préoccupations euh, des lycéens et collèges, vraiment, c'est des préoccupations qui peuvent être euh, prises en charge, mhm. qui ne doivent pas faire l'objet de blocages, en tout cas si l'administration fait preuve d'un minimum de, bonne volonté. Les questions comme l'électricité, les latrines, vraiment, et ça, c'est à la charge de la région. Alors, je voudrais revenir quand même sur une préoccupation qui a été exprimée par la section lycée-collège, c'est le problème des enseignants. Mm-hmm. Vous savez, euh, Niamey, là, on dit qu'il y a un surplus d'enseignants. Mais il se trouve que les enseignants ne sont pas équitablement répartis à Niamey. Mm-hmm. Vous avez effectivement des collèges euh, de Niamey ou certains CS de Niamey qui ont des problèmes d'enseignants au niveau de certaines matières. Mm-hmm pendant que vous avez des, euh, lycées ou des, CES où les enseignants se retrouvent avec euh, vraiment un emploi du temps à minima. Mhm. Ça, c'est une réalité. Mais nous, euh, dans l'appréciation du surplus d'enseignants, parce que Mbouare a parlé de redéploiement. Mhm. En réalité, il ne s'agit même pas de redéploiement. Il s'agit tout simplement d'affectation. Parce que lorsque on parle de redéploiement, ça s'entend, à mon avis, on vous change de poste de travail. Par exemple, quelqu'un qui, se trouve au niveau de l'administration, si on veut faire de lui enseignant, là, on le redéploie. Mais moi, je suis enseignant au lycée Corombé, Si j'ai deux heures de temps, si j'ai dix heures hebdomadaires, l'administration peut décider de m'affecter là où il y a le besoin. Mhm. Donc, euh, vraiment, moi, je pense que ça, c'est quand même reconnu à l'administration il faut que l'administration veille à ce qu'il y ait une répartition euh, équitable du personnel enseignant. Non, moi, mon souci, vraiment, euh, une bonne rentrée, il y a deux volets. Il y a ce que Bouhari a dit, la mise en place du personnel enseignant, la mise en place du kit, euh, du matériel pédagogique qu'il faut. Parce que là aussi, il y a comme un détail qu'il faudrait, sur lequel l'administration doit veiller c'est le matériel pédagogique. Assez souvent, au niveau de certains collèges ruraux, ça fait défaut. Il faut s'assurer quand même que, que le, le matériel là, arrive là où on a besoin. Moi, je vous dis, je connais des collèges ruraux où les enseignants ont même des problèmes de, de programme. Le programme qu'ils doivent enseigner, que l'administration est censée leur fournir, et pose problème parce qu'on n'a pas veillé à ce que le programme, arrive dans ces établissements. Donc, pour répondre à votre question, nous, au niveau des syndicats d'enseignants, notre souhait, c'est que l'administration respecte ses engagements. On a signé des accords avec euh, COSINASEB autour euh, d'un certain nombre de préoccupations que le gouvernement a promis de prendre en charge. Vous voyez la question salariale là. Aussi longtemps qu'elle n'aura pas été réglée, traitée euh, définitivement, il y aura toujours conflit. Parce que hein, quelqu'un qui n'est pas payé, qui attend 10 jours après la fin du mois, il serait tenté, comme le font <laughs> certains enseignants, à partir du 8, ils bloquent. Ils vont à l'école, mais ils ne font pas cours. Donc, je pense que nous, notre, euh, je ne dirais pas exigence, parce que c'est déjà pris en compte. C'est que l'administration respecte les engagements qu'elle a pris. Et tous les engagements. Que ce soit le paiement des salaires, les discussions autour des, euh, des questions euh, salariales et les questions de recrutement. Parce que les questions de recrutement, avec euh, les, certains événements qui sont intervenus au cours de l'année 2017, notamment l'évaluation, et aussi euh, la décision du gouvernement de, mettre à la disposition, donc de faire gérer les enseignants contractuels par les mairies, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'acquis qu'il va falloir, euh, en tout cas, créer les conditions euh, pour, qu'ils puissent être conservés. Donc, nous avons des camarades qui ont été recrutés, à qui on a donné des matricules, et qui devraient être mises en solde depuis octobre 2016, ces questions-là ne sont pas encore réglées. Donc nous ne souhaitons pas qu'on reprenne les cours avec ce malentendu et que deux jours après, qu'il y ait des perturbations. Parce que nous, moi, je dis bien, est-ce ou que de me répéter, la rentrée, là, c'est un jour. Mm-hmm. Ce qui est essentiel pour nous, c'est tout le déroulement de l'année. Mm-hmm. Et pour que ça puisse se faire vraiment dans la calmie, dans la sérénité, c'est que l'administration, à chaque fois qu'il y a conflit, qu'elle prenne quand même le soin de discuter. La difficulté aujourd'hui, c'est que eh, les rapports sont très très mauvais entre une composante des syndicats et l'administration. Vous voyez ce qu'il a dit. L'administration eh, attend toujours le, au dernier moment eh, pour discuter avec les enseignants ou même avec les élèves. Il y a eu trois mois de vacances. Pendant ces trois mois, on pouvait s'attendre à ce que l'administration convoque les syndicats d'enseignants. Ah, nous avons un accord avec vous. Il y a eu difficulté de mise en œuvre l'année passée et ça a perturbé de manière sensible l'année. Alors discutons. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que moi je vais prendre en charge Qu'est-ce que vous allez accepter eh, pour que l'année puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Mhm. Mais ce qu'on relève, en tout cas au niveau de cause Sinaseb, nous relevons que personne, personne ne nous a invités à discuter autour de ces points jeunes. Donc, euh, <laughs> si rien n'est fait, nous allons retourner à l'école avec les mêmes conflits. Monsieur le secrétaire général euh, de la section lycée et collège euh, nous allons donc euh, aborder euh, cette question toujours de vos revendications. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir finalement trouver un compromis avant cette date du 18, c'est-à-dire de lundi prochain, c'est-à-dire à peu près 72 heures du grand rendez-vous eh, Michel, aujourd'hui, cest déjà c'est pas parce qu'on est des lycéens, on va nous considérer étant des enfants ou bien étant mhm. des mineurs qui n'ont pas certaines réflexions ou bien certaines idées à leur niveau. Aujourd'hui, je juge moins quel engagement et les autorités peuvent nous promettre qu'à ah, d'ici tel moment ils peuvent solutionner un tel problème. S'agissant des cours d'eau, c'est quelque chose qu'on peut faire avant même de nous appeler. Mhm. Et s'agissant de vaquer les, les latrines, c'est quelque chose qu'on peut faire sans pour autant nous appeler. Mhm. C'est quelque chose, ils ont eu le temps maximum de le faire. C'est comme l'avait souligné, c'est-à-dire euh, notre monsieur, c'est-à-dire euh, les autorités à leur niveau, c'est le moment tant attendu, le moment essentiel, on ne nous appelle pas. Durant les mois, les trois mois qui se sont écoulés, on peut nous appeler pour dire voilà l'état problème ou bien quelle méthode nous allons essayer d'entreprendre vous et nous pour pouvoir sauver l'année. Même au niveau des parents d'élèves qui nous ont eu à nous appeler par rapport à notre plateforme revendicative, d'accepter à ce qu'il y ait cette rentrée et de venir, on va mettre un comité ou bien, c'est-à-dire dans lequel il y aura le dress, la section gouvernera mairie, pour pouvoir suivre euh, notre plateforme revendicative comme mm. ça se doit. On les a dit c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Si, réellement c'est du concret et ils veulent, ou bien c'est des choses qu'ils veulent faire pour nous convaincre étant des parents, c'est des choses qu'ils devraient faire bien avant cela, bien avant le jour C'est parce qu'ils ont entendu, nous avons dit, nous allons boycotter cette rentrée. Mais à le actuel, qu'est-ce qu'on peut nous solutionner Ou bien quel problème ils peuvent résoudre par rapport à vos revendications, la question des enseignants, euh, le directeur euh, de l'enseignement privé a expliqué qu'il y a euh, assez d'enseignants dans la région de Niamey quand même. Vous, quand vous dites manque d'enseignants, c'est de façon générale ou c'est seulement au niveau de certaines matières Bon, c'est au niveau de certaines matières. Lesquelles Espagnol, EPS et surtout les séries scientifiques. Mhm. Ça, tout le monde est convaincu de ça. Dans certaines écoles, on fait face au manque d'enseignants sur les séries scientifiques. Mm. Vous voyez pourquoi je dis ça aujourd'hui au niveau des camarades qui font la TD, pour avoir un professeur qui va les enseigner maths, PC, SVT, c'est tout un problème. Il va falloir assez qu'on dise non, il faut un tel enseignant ou bien il faut qu'on attend les enseignants qu'on va envoyer pour l'école après mm. la rentrée. Mm. C'est quelque chose qu'on doit prévoir bien avant. au niveau des Espagnols, euh, professeur d'espagnol. Ici, à la région, nous, à notre niveau, on pense bien qu'il n'y a que trois enseignants. Il n'y a que trois enseignants d'espagnol. Et parfois, c'est privé. Même les trois enseignants-là, c'est de façon jonglée, on gère ça. Entre eux et, les chefs d'établissement puisque des fois il va falloir assez qu'on les appelle ou bien des fois il va falloir assez que les camarades payent pour pouvoir suivre le cours d'espagnol je pense bien tout le monde est à l'abri de ça. Mhm. Un mot par rapport à ces préoccupations, euh, monsieur le représentant du ministère des enseignements secondaires. Franchement, de façon j'aurais voulu que la, région d'Inamé soit présente parce que euh, vraiment, <laughs> je ne sais même pas comment dire, mais je pense que, euh, comme l'a dit le camarade chez c'est vraiment des problèmes mineurs. Mhm. qui ne sont pas de nature à compromettre la rentrée. Et je regrette euh, qu'il y a eu, qu'il a pas eu ces, qu'il a eu ces déficits de, dialogue au, niveau de la région, qui euh, un déficit qui n'existe pas à notre niveau au ministère. Parce que moi, je vois ce qui se passe au ministère. En tout cas, euh, les syndicats sont appelés, en tout cas au ministère des enseignements secondaires. On a même un cadre de concertation qui siège dès qu'il y a un problème, euh, comme l'a dit le camarade Dambaji, on anticipe pour, les, pour pouvoir les résoudre. Mais en ce qui concerne la question des enseignants, vraiment, je, maintiens ma position. Nous n'avons pas de problème d'enseignants en Niamey parce que la région nous a pas saisi de, ça. La région nous a même donné la liste des enseignants sous-employés qu'on a affectés là où on a besoin d'eux. Même, même, dans certaines matières, il n'y a pas de... Non, même dans certaines matières. C'est comme l'a dit Dambali, c'est-à-dire c'est une mauvaise répartition. Mhm. Tu peux voir un professeur de maths qui a 10 heures de cours alors qu'ailleurs, il a 18 heures ou 20 heures. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire Donc, il faut, il faut équilibrer. Mhm. Il faut équilibrer. Il faut vraiment équilibrer là où on a besoin réellement d'enseignants. Tu vas voir dans une IP, par exemple, les professeurs, l'IP, par exemple, les professeurs répartissent les heures. Donc, si, euh, euh, si par exemple dans une IP il y a assez de professeurs, autant de dégager un pour l'affecter là où mm. il, va, va aider une autre IP qui est surchargée. Mais par exemple, pour la question de l'espagnol, vraiment, je pense que ça fait longtemps au Niger que l'espagnol n'est pas une langue qui, qui, qui, connaît un enseignement de grande ampleur. Parce que mm. moi, j'étais arrivé en seconde en 1982. Euh, à notre arrivée, déjà l'espagnol n'existait pas. Et vraiment, je suis surpris qu'on me dise qu'aujourd'hui, on enseigne l'espagnol au Niger. Peut-être quelques, ça, ça fait longtemps qu'on l'enseigne. Moi, je suis, allé, je suis arrivé en seconde en 82 et je n'ai pas trouvé l'enseignement de l'espagnol dans mon lycée, les lycées d'Itawa par exemple. Mais c'est prévu dans l'ancien, puisque... Vraiment, euh, je ne sais pas mon ancien qui est là avec moi. <laughs> Eh, mon grand frère chef d'Ambaji, peut-être lui, il peut me donner des informations. Mais franchement, moi, je, t'informe que je suis arrivé au lycée en 82. Je n'ai pas trouvé l'enseignement de l'espagnol. Mm. Et maintenant, me dire qu'il y, a un problème de professeur d'espagnol, vraiment, pendant tout mon temps au, dans niveau de l'administration centrale, en tout cas, on n'a pas posé le problème de, l'enseignement de l'espagnol comme un problème. Peut-être c'est, c'est vraiment des, des lycées ou des collèges et des lycées qui ont des, missions spécifiques et qui accueillent des élèves de nationalité étrangère, mm. peut-être qui enseignent une telle matière, une telle langue. Et ça. Qu'en est-il alors euh, du manque euh, d'enseignants en éducation physique et sportive Même éducation, euh, moi je vous informe que en éducation physique et sportive, là aussi je ne suis pas d'accord. Je suis, euh, ma direction est voisine de l'inspection de, la direction nationale de l'éducation physique. Il n'y a pas, franchement, Michel Deji, je, confirme avec force qu'il n'y a pas de problème d'enseignant. On peut avoir d'autres problèmes, mais l'enseignement là, les enseignants là, il n'y en a pas. Nous espérons bien que vos préoccupations vont être euh, débattues et prises euh, en compte euh, par la direction régionale de l'enseignement secondaire avec le gouvernorat. Monsieur le directeur de l'enseignement privé, nous revenons sur certaines décisions prises par votre ministère en prélude à cette en quelques secondes alors, monsieur. Non, pour l'espagnol, si vous permettez. Hum. mais très rapidement. Non, mais ce qu'il a dit, c'est juste. Hein. Dans les matières enseigner il n'y a pas l'espagnol. Mais il y en a qui choisissent ça. Nous, nous a, été proposé de choisir. Comme seconde langue vivante. Non, c'est ce que les gens font. Mhm. Mais parmi les matières à enseigner, il n'y a pas l'espagnol. Mais officiellement, il y en a qui. Non, officiellement, il n'y en a pas. Moi, je vous parle d'officiellement. Mhm. L'espagnol et l'allemand étaient enseignés jusqu'en jusque dans les années 70. Moi, quand je suis arrivé au collège en 70, on faisait eh, espagnol, allemand, jusqu'en quatrième. Jusqu'en quatrième. Donc euh, vraiment, eh, le problème de professeur d'espagnol. Effectivement, à Niamey, il y a un problème de, des élèves qui font espagnol. Excusez-moi, monsieur hmm? le SG, ce que je comprends personnellement mieux cela, puisque hmm? nous, moi, j'ai fait la seconde U et on hmm? dit aux élèves de choisir entre espagnol et l'arabe. Et par finir, en fait, ceux qui choisissent espagnol, on leur dit il n'y a pas d'enseignant. Non, mais ceux qui le disent, c'est parce qu'il ne se réfère pas au texte. Voilà, Le texte, l'arrêté définit les matières, à les matières à enseigner. Il n'y a pas d'espagnol. Mais Michel, pour ajouter Alors, On va, on va euh, terminer. c'est juste euh, une petite parenthèse qu'on a ouverte, c'est pour faire des rajouts aussi à notre niveau en tant qu'élève mhm. lycéen. Euh, on dit, c'est-à-dire l'espagnol n'est pas une matière officielle qu'on doit enseigner dans les mhm. lycées. Mais quand même, toutes les, les évaluations qu'on fait à la fin de l'année, il y en a ça. Au baccalauréat, il y a, a d'autres qui font ça en premier groupe et en second groupe espagnol. Même sur les bulletins des lycéens, il y a espagnol. on va, mener une investigation par rapport à ça. C'est tout. Il vraiment, dit, il va mener euh, des vraiment, parce que moi, je viens d'apprendre ça. <laughs> on va mener une investigation par rapport à ça et, et se conformer au texte. Comme l'a dit le camarade, vraiment, c'est le texte. Nous, donnons nos textes, ça n'existe pas. Sinon, il y a, y 5 ans, ceux qui font espagnol, ils euh, payent mille euh, fois même, je pense. Ça continue Ça continue jusqu'à présent. Nous revenons sur certaines décisions prises par votre euh, ministère rapidement. Il s'agit notamment de la réglementation des enseignants en ce qui concerne ceux qui dispensent des cours au niveau des écoles privées. Très rapidement. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de façon succincte Donc, en réalité, c'est un, un, texte qui a fait trop de, bruit. Mhm. Mais en réalité, il n'est pas question de bruit normalement parce que euh, euh, c'est un texte déjà qui existe. Mhm. Qui existe au moment où les collèges et les lycées étaient à l'enseignement supérieur. Vous savez, à un certain moment, le, ministère actuel a été créé en 2013. Donc avant, il était géré par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc ce texte existe. Mais euh, donc on l'a repris pour le corriger et l'enrichir compte tenu des nouvelles situations. Et c'est tout, hein. il n'y a pas d'innovation majeure. Mhm. La seule innovation, c'est peut-être au niveau où on a dit que les emplois de temps doivent être euh, euh, authentifiés par DES. DEDES. Et franchement, Michel Deji, vous convenez avec moi, nous sommes tous en nous, sommes, nous voyons ce qui se passe au niveau de, de l'enseignement public et privé. Dans une minute, nous allons clore euh, ce forum. Les matériels, est-ce qu'on peut dire que tout est déjà acheminé Nous avons 2 milliards 668 millions 852 000, un peu plus. Donc, euh, c'est le total de la somme injectée sur les ressources propres de l'État pour l'acquisition des matériels et fournitures scolaires. L'annonce a été faite à Dosso actuellement. Est-ce que tous ces matériels sont acheminés euh, Monsieur, je, confirme que, en tout cas, en ce qui concerne les lycées, tous les cahiers et les livres et autres là sont vraiment disponibles. Maintenant, pour les collèges, mhm. en tout cas, la, réception est en train. Chaque jour, on, on reçoit des camions qui viennent de la côte qui déchargent les cahiers. Peut-être d'ici deux semaines ou en tout cas avant la rentrée du 2 octobre, même à ce niveau-là, ça sera prêt. Monsieur Ousmane Dambaji, quels sont vos voeux pour cette rentrée euh, en Ousmane 5 secondes Ousmane Dambaji, c'est votre résumé. <laughs> Excusez, moi, chef Dambaji, <laughs> chef rapidement. <laughs> Non, moi, moi mon vœu, c'est que vraiment la rentrée, toutes les rentrées puissent se faire dans de bonnes conditions et que l'administration, j'insiste là-dessus, qui a en charge d'organiser l'année, vraiment qu'elle crée les conditions de dialogue et d'apaisement nécessaires pour, pour que l'année puisse se faire euh, dans de bonnes conditions. Parce que les résultats d'une année sont déterminés par la stabilité qui la caractérise. C'est la fin de ce forum. Merci de l'avoir suivi. Merci et au revoir.